moom nag jàmm dalu ko moom Habib Fall ca Pikine Texaco ca complexe xéewal gi fa la kii di Abdallah Fall yéenekaay bi di Libération ne moom Habib mu ne moom daf maa xeeboon te daf maa bëggoon a gaañ ma faat ko ci atum 2019 moom Habib Fall nag amoon na retour de parquet ginnaaw gi leen ko yóbbu ca dalal xel moo tax ñi di parquet bi di yoon ibbi na ab information judiciaire ci assassinat ba am ca diwaanu Pikine Texaco ca xéewal ga Libération yéenekaay ne ndekete daal njombe la xewoon ca Boffa Bayotte boobee César Atutu moo nekkoon ca xolu mbir ma moo ko jiite Libération dans sa parution du jour ouvre sur ce meurtre au complexe Xéewal de Pikine Texaco les surprenants aveux d'Abib Fall il s'agit du meurtrier présumé de son collègue Abdallah Fall 25 ans qui a été déféré vendredi devant le parquet de Pikine Guédiawaye le même jour le ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat. Après un retour de parquet, Abifal fait donc des surprenants aveux. Je cite Il me sous-estimait, j'ai eu même des échos comme quoi il chercherait à me blesser, déclare le meurtrier présumé d'Abdallah Fall. Depuis 2019, Abifal, qui a eu un retour de parquet hier, était suivi à Dalalkhel. Bonne lecture.